Vous êtes à l'écoute des programmes du studio Kalangu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse de ce soir. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité que nous allons traiter sont tout d'abord la 42e édition du sabre national de lutte traditionnelle au Niger qui s'est achevée le dimanche 2 janvier 2022 à Niamey. C'est Kadri Abdoudi Isaki Saka de Dosso qui a remporté le sabre national. Nous parlerons ensuite euh, des 214 kg de cocaïne saisie dans le véhicule du maire de Fachi à Agadez par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants Ortis. L'actualité, c'est aussi la condamnation lundi de Moussa Aksar et Samira Sabou, deux journalistes nigériens, par la justice pour diffamation et trouble à l'ordre public dans une autre affaire de trafic de drogue. Et enfin, nous parlerons d'Omicron, le nouveau variant de COVID-19 dont plusieurs cas ont été notifiés en République du Niger. Pour euh, commenter et analyser ces sujets, je suis avec euh, Issa Madougou, journaliste euh, indépendant, Maimouna Gado, journaliste indépendante, et enfin Hussein Issa, il est également journaliste indépendant à la modération de ce forum de la presse de ce soir. Je suis Michel Deji. bienvenue si vous venez de nous rejoindre pour euh, le forum de la presse euh, de ce soir, les lampions de la 42e euh, édition du sabre national de lutte traditionnelle se sont éteints dimanche 2 janvier 2022 à Niamey. C'était à l'arène des jeux traditionnels de Niamey. Le lutteur de Dosso, Kadri Abdou, dit Isaki Saka, est sacré roi des arènes de cette année. Il remporte le sabre national à l'issue du combat final contre Aibo Hassan de Maradi. Ousmane Hassan de Tilaberi occupe la troisième place et Zachary de Tawa la quatrième. Ousseinissa, quel bilan faut-il tirer de l'organisation de cette 42e édition du Sabre national J'ai suivi un peu les commentaires et tout et tout. Je peux considérer que ça s'est bien organisé mhm. cette fois-ci le règlement a été respecté plus ou moins. Mm-hmm. Et que bon, peut-être que à la finale où il y a eu quelques bisbis, mais pas de nature à entacher mm-hmm. l'organisation générale de, de, l'événement sportif. Mais sinon, <laughs> il n'y a pas un quelconque bilan. Mm-hmm. Il faut simplement organiser et il faut faire en sorte que ça soit net et clair. Moi, quand je dis net et clair, c'est quoi ce qu'on a connu à l'époque. C'est le président Kunti qui a institué la lutte traditionnelle au Niger, n'est-ce pas Bien sûr. À l'époque. Bon, c'est quand même des gens physiques qui viennent s'affronter. Qu'on donne au moins un temps pour que la lutte, en tout cas moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui est contenu dans le règlement intérieur, où il faut arrêter chaque fois de foutre... et, alors, bah, deux minutes de combat ou trois minutes de combat, deux minutes de repos. Moi, je me dis, c'est des gens qui sont physiques. Ils sont venus, ils doivent s'entraîner pour être là. J'ai assisté à des combats de, de, de, de combats de lutte à Dakar. On laisse les gens lutter. Mais on dit, Moutouan, comment on appelle ça et, que, Ils sont debout tous les deux. Parce qu'ils ont épuisé le temps consacré à la lutte. Ils ont épuisé. Et puis non, on laisse les gens lutter jusqu'à la fin pour voir qui est plus fort que l'autre. Hum, hum. Qui, hein? aura vaincu l'autre Mais qui aura vaincu l'autre Moi, hum. je compte souvent certaines euh, mesures qui ont été instituées qui ne peuvent pas permettre de déterminer physiquement qui est plus endurant que l'autre. Parfois, c'est au terme de plusieurs travaux de réflexion que ces décisions sont prises. mais les décisions sont prises. Quand on dit football, par exemple, c'est 90 minutes. Mhm. S'il n'y a pas de vainqueur, on met encore une prolongation. Mhm. Ensuite, après la prolongation, on passe au tir au but pour déterminer qui a gagné, mhm. qui, qui a perdu, n'est-ce pas Mais pourquoi dans le cas de la lutte, quand physiquement tu acceptes d'être dans une arène, c'est que tu vas aller jusqu'au bout. Maintenant, ça va déterminer forcément, qui est plus endurant que l'autre On n'est pas dans ce schéma-là. Voilà un peu, moi, peut-être un peu la remarque que je peux faire. Je suis allé deux fois de suite pour voir comment ça se passe. Mais il y a certains qui ont déjà euh, un état de santé un peu difficile. Nous avons par exemple le quatrième d'ailleurs qui hein, avait hein. signé forfait. Non, il n'y a mais, finalement parce que quand on fait la lutte, c'est un, sport physique, mhm. n'est-ce pas C'est comme le football, c'est comme les autres sports. C'est physique. Maintenant, quitte à ce que ceux qui s'engagent dans cette voie-là, mhm. ils travaillent leur organisme pour pouvoir être résistants. Merci, c'est votre avis par rapport à ça. Et ça, Madougou, c'est vrai, la lutte traditionnelle comme rendez-vous national, c'était à l'initiative de Seyno Kounché, mais la lutte a duré au Niger, au niveau de plusieurs localités. Les gens connaissent cette pratique. Et cette année, le thème, c'était donc euh, vivre ensemble, nous sommes une famille. C'est donc euh, une initiative qui a pour principale euh, mission de renforcer l'unité nationale. Quels ont été les enjeux d'une telle rencontre mmh. Moi, je pense que la lutte a été toujours un facteur de cohésion mmh. au Niger. c'est le sport roi des Nigériens, parce que quand il y a la lutte, il faut voir l'engouement qui se crée autour de, la compétition et comment on, on sent que au fil du temps, avec 42 éditions, euh, cette activité sportive a permis aujourd'hui de rapprocher plus les Nigériens. Mm. je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'expression de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Euh, après 42 éditions, moi je pense que au-delà euh, de ce que ça nous procure, mm. que nous devrons continuer à consolider comme acquis, il faudrait aussi penser que à une forme de refonte un peu de l'activité pour que ces gens, gens qui pratiquent euh, la lutte puissent vraiment euh, vivre euh, de cette activité. Mhm. Moi, j'ai toujours trouvé l'enveloppe vraiment 10 millions quand même, on est à 42 éditions. quand je vois dans les autres pays comment le sponsoring est, mhm. quand même, je pense qu'il faudrait aussi. aussi d'autres présents quand même. Oui, ça, c'est pas des particuliers, mais quand même, au-delà, officiellement, officiellement c'est 10 millions. Oui, le deuxième 5 millions, le troisième. Oui, c'est ce que je disais, qu'il faudrait revoir ça et que, à part les championnats, mhm. que la fédération pense également à des mini-tournois pour maintenir les lutteurs au frais. Mhm. Parce qu'il ne faut pas que après chaque fois que, suffit seulement quand il y a le sabre national ou bien euh, les compétitions de, du, Tolac, mhm. que seulement c'est en ces euh, périodes que les lutteurs sont convoqués. il faudrait qu'au niveau même euh, des ligues régionales, que des initiatives soient créées pour maintenir, qu'il y ait des vraies écuries au niveau des régions, que chaque région puisse vraiment euh, avoir son écurie de lutteurs mhm. qui sont formés et qui sont appuyés également, parce que c'est, c'est vrai, le ministère ne peut pas et la fédération à elle seule ne peut pas le faire, mais il faut de l'accompagnement. Parce que ceux qui sont en train de faire cette lutte, nous voyons tous aujourd'hui les acquis de cette compétition. Ça a permis vraiment le brassage culturel. Ça a permis aux Nigériens de s'aimer, de se rapprocher. Quand vous voyez les lutteurs aujourd'hui, ce qui est extraordinaire dans la lutte, pour moi que je vois, c'est-à-dire ce symbole-là qu'un Nigérien, quel que soit euh, de, la région, il peut mhm. aller et eh, combattre. être combattre au nom de notre région. Mhm, Tout ça, ça démontre que et le sabre reste au Niger. Le Et cela mhm. démontre qu'aujourd'hui cette compétition, est quelque chose qu'on devrait consolider et donner plus de valeur et un mhm. cachet particulier parce que c'est l'expression de l'unité nationale et de la cohésion entre euh, les Nigériens. Donc, faire de cette activité une activité vraiment qui puisse vraiment nourrir son homme, que ces lutteurs ne soient pas misérables. Par exemple, vous avez vu le cas de l'ancien lutteur de Zander. Il a fallu que lui-même il fasse un vocal pour alerter. Mhm. Si les gens étaient vraiment... Euh, on a on occupe ces gens-là à toujours pratiquer leur activité. On aurait pu savoir ce qui se passe et puis le prendre en charge mhm. à temps. Mais après la compétition, on voit beaucoup qui tombent vraiment, euh, Souvent sans prise en charge. et, c'est de la misère totale. Mm-hmm. Ce sont nos champions, ce sont nos héros. On doit s'occuper d'eux. Donc mm-hmm. on doit, la fédération doit créer les conditions pour que vraiment euh, ces gens-là puissent vraiment, véritablement vivre de cette activité qu'ils ont choisie et que vraiment aujourd'hui qui fait la fierté de tous les Nigériens. Bien sûr, puisqu'il s'agit là du sport roi. Maïmoune Gado, comment les populations nigériennes ont vécu cette 42e édition du Sabre national euh, vu l'engouement, que nous avons constaté au niveau donc, de l'arène, reine mhm. de l'île traditionnel, c'est-à-dire que les Nigériens ont bien, en tout cas, apprécié cette 42e édition. Mhm. Et euh, il n'y a pas un seul jour où, euh, en tout cas, l'arène n'est pas remplie. Mhm. le constat, il y a les femmes qui sont là, les enfants, les jeunes, les vieux, tout le monde. Hein. Donc, il faut essayer de revaloriser le sport parce que c'est le sport roi, c'est notre identité en fait. Il faut valoriser, qu'est-ce qui nécessite des améliorations de Ce qui nécessite l'amélioration au niveau mhm. donc euh, de cette lutte traditionnelle, je l'ai dit. En fait, essayer de mettre à la disposition, ne serait-ce que euh, par exemple euh, du vainqueur, mhm. non pas seulement les 10 millions, mais l'accompagner pour que peut-être ce lutteur une fois dans sa région, puisse aussi créer les conditions euh, de petites activités génératrices de revenus. Mhm. Donc, pour qu'il n'y ait pas à rester sans rien faire, en fait. Parce que les 10 millions, que l'on veuille ou non, les 10 millions, ce n'est pas uniquement à lui. Ça ne va pas revenir à lui seul parce que c'est une équipe de toutes les manières. Donc, vous voyez, euh, des actions, comme l'a dit Issa, ça veut dire que de faire des petits, des mini-championnats mhm. euh, dans les régions, dans les quartiers, pourquoi pas, pour détecter d'autres lutteurs. Mhm. Et on aimerait voir euh, pour les autres championnats à venir qu'il y ait plus de jeunes, mhm. en fait, qu'il y ait plus de jeunes. Parce que là, vous voyez, les Issa sont déjà à leur quatrième, à son quatrième sabre, c'est ça. Bien C'est la quatrième fois qu'il remporte fois qu'il remporte le sabre national. Mhm. Donc, il faut essayer de voir, euh, quand on arrive à un tel stade où quatre fois championnat, peut-être essayer de voir comment est-ce qu'il faut faire pour amener d'autres jeunes à combattre. Et quand vous voyez, c'est comme on l'a dit, il faut essayer d'aller par catégorie. Mhm. Aujourd'hui, celui qui a 5 kilos et qui, qui, combat avec euh, celui qui a 105 kilos, mhm. qui a 70 kilos, c'est des difficultés aussi. Donc, il faut valoriser la manière dont nous nous voyons, mhm. euh, faire en sorte que ça soit vraiment euh, le, sport roi au Niger. Mhm. L'enveloppe, il faut rehausser l'enveloppe parce qu'on ne peut pas continuer après 10 ans ou quoi là, en train de prendre 10 millions, 10 millions pour celui qui vient lutter aux yeux de tout le monde, euh, combattre Mhm. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose qu'il faut euh, conserver, mhm. consolider. Ça montre que euh, de telle région à telle région, la cohésion sociale est là. Mhm. Ça existe et à travers ce sport, on peut réussir à faire la cohésion sociale. Merci beaucoup. Puis, autre aspect de cette euh, émission, c'est les 214 kg de cocaïne et 30 cartons de tramadol saisis la semaine dernière à Agadez et Maradi par l'Office central de répression du trafic qui licite des stupéfiants au Cette drogue a été présentée mercredi aux autorités et à la presse ici à Niamey, suivant le ministre de l'Intérieur. À cette occasion, Hamadou Adamou souley et Tomiko de Tarnan Foudaï Ahmed. Aujourd'hui, c'est une saisine de 214 kg 600 qui vient d'être faite et 30 cartons de tramadol. Il y a eu d'autres saisies comme à son habitude, depuis un certain temps, l'octrice ne ménage aucun effort pour traquer les trafiquants de drogue, qui nous viennent d'ailleurs, parce que vous le savez très bien, la drogue n'est pas fabriquée au Niger. Elle traverse d'autres pays avant de venir au Niger. Mais c'est au Niger qu'on saisit la drogue. Si on le faisait véritablement ailleurs, comme le Niger le, le fait, évidemment, on aurait attrapé ces trafiquants dans ces pays qu'ils traversent avant de venir dans notre pays. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a saisi de drogue au Niger, de la manière dont la presse en parle, c'est comme si c'est au Niger qu'on produit la drogue. Il faut arrêter ça. Vous, les hommes de la presse, vous devrez rendre justice à notre pays. Issa Madougou, quelle analyse par rapport à ces propos du ministre en charge de l'Intérieur euh, par rapport à cette euh, saisie justement de drogue, de cocaïne Moi, je voudrais qu'on fasse un peu et reconnaître vraiment ce travail dur très rude abattu par les agents de l'Octus. Mm. Parce que, il faut le dire, lutter contre la drogue, même les grandes nations ont eu du mal à le faire. Mm. On ne peut pas l'éradiquer. Mais vous savez très bien, aujourd'hui, notre région est assujettie à plusieurs défis. Et depuis que aujourd'hui le Sahel vit une situation euh, sécuritaire et volatile, les routes de cocaïne se sont transportées vers le Sahel. Mm. Et c'est aujourd'hui, euh, c'est une menace même pour euh, la survie de nos nations. C'est pour cela que chaque pays doit s'organiser. Au-delà des pays, il faudrait que, nous nous trouvons dans une communauté, qu'il y ait des efforts communs. Parce qu'aujourd'hui, on voit comment ça transite. Ça rentre mm. par les ports et ça vient. Si au Niger, il y a des efforts qui sont fournis, si les, autres pays aussi le font, moi je pense qu'on ne peut pas mettre fin. Mm. Mais quand même, on peut quand même détourner pour que vraiment... Euh, ce trafic-là ne passe pas par le Niger. Parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, dans ce contexte d'insécurité, c'est un danger pour la survie de nos nations. C'est de l'argent, des barons qui vont être plus. Nous savons très bien que nos États sont très fragiles mm. et tout le monde sait combien de flux d'argent drainent ces genres de trafic. Vous savez, chaque être humain a sa vision de la vie. Vous mm. pouvez choisir comment vous pouvez vivre dignement avec des valeurs. <coughs> si vous mettez les valeurs dans un carton, vous les jetez dans, le, dans la poubelle mm-hmm. et vous, vous avez une autre vision, c'est à vous. Le maire qui a été arrêté, alors est-ce que vous savez combien de personnes aussi sont impliquées mm-hmm. Il y a des complices. Pour le moment, il y a eu des arrestations. Oui, il y a eu des arrestations. Lui et son chauffeur. Mm-hmm. C'est un vaste réseau. C'est un vaste réseau. Donc c'est pour cela que parfois même il faut donner les moyens nécessaires mhm. à tous ces agents qui sont en train de... Parce que lutter contre les narcotrafiquants, c'est des gens qui sont premièrement puissants, mhm. capables de tout. Et aujourd'hui, nous le savons très bien, cette région du Sahel, mhm. qui sait, à part la drogue, qu'est-ce qui rentre Enfin, nous ne fabriquons pas la drogue, nous ne fabriquons pas aussi les armes. Mm. Regardez comment aujourd'hui la circulation d'armes, on dirait des petits pains dans le Sahel, où il y a des zones aujourd'hui que acheter une arme est plus facile que d'acheter une seringue. Mm. C'est plus facile. Tout ça là, c'est parce qu'il y a tous ces trafics illicites qui se sont mélangés et qui sont en train de, de s'enraciner au Sahel. Et c'est ça que, dans les propos du ministre, j'ai dit que là aussi, c'est à leur niveau aujourd'hui en tant qu'autorité pour que les efforts du Niger ne soient pas euh, mhm. amondris, qu'il y ait vraiment une synergie d'action avec les autres États, Nous, à travers la CDAO ou à travers d'autres pays qu'on se retrouve dans d'autres organisations, qu'il y ait une synergie d'action pour contrecarrer. Parce que plus ça va, au Niger, on fait mhm. une lutte et dans notre pays, on facilite la traversée de, la marchandise. Je pense que là, on n'est on pas encore sorti de l'auberge. Mhm. Et vraiment, c'est moi, je pense que l'occasion qu'il faut vraiment rendre hommage à toutes ces, euh, euh, ces femmes et ces hommes qui œuvrent au quotidien, malgré que c'est très difficile de le faire, mais ils sont quand même... Euh, parce que vous vous rappelez, en 2020, en mai 2020, ils ont saisi 17 tonnes de résine de cannabis. Mhm. Donc, la situation est là. Les gens, il ne faut pas qu'on se dise non euh, parce que euh, on est au Sahel, que c'est un maire, un truc comme ça, d'autres euh, commentaires. Dans toutes choses, même dans parmi les journalistes, on ne sait pas qui est qui. Mhm. Donc, il ne faut pas que parce qu'on dit que non, c'est un politicien, que son, tout son groupe aussi fait partie de, ce trafic. Arrêtons de juger comme ça les gens. C'est-à-dire un individu, c'est un individu, ses actes et faits le caractérisent lui-même. Il y a un rapport que j'avais lu tout récemment où il y avait des noms euh, de dignitaires, euh, de parents communautaires, Grand Richard du Mali voisin, qui sont cités dans ces genres de trafic. Alors, c'est ça le danger pour des pays comme nous. Si nous on fait des efforts et les autres, les gens se la coule douce, c'est un risque. C'est même exposé, même ces mêmes agents-là qui, au jour, chaque jour, se battent contre ce trafic. C'est vrai, on ne peut pas l'arrêter d'un seul coup, mais quand même, si nous arrivons aujourd'hui dans ce contexte d'insécurité à détourner euh, cette route de cocaïne, je pense qu'on peut aussi passer à la stabilisation de la région du Sahel. Mais c'est une chose très difficile parce que on n'a pas, les États n'ont pas les mêmes visions et les individus n'ont pas les mêmes visions. Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, au Burkina, dans les autres pays où, il y a les, entrées portières, il y a toujours des gens qui alimentent ce réseau. Mm-hmm. Il y a toujours ces gens-là qui alimentent ce réseau parce que c'est leur gagne-pain. Ce n'est pas qu'ils vont venir vendre ça, non il y a toujours, c'est en transit. C'est pas ici qu'on le fabrique, c'est pas ici qu'on le consomme. Tout le monde le sait que la destination finale, là où ça devait aller. Mais nous, c'est la survie de nos États qui nous intéresse. Il faudrait que nos États continuent encore à aller dans ce sens. Merci beaucoup, Maïmoun Diado. Quelles sont les conséquences euh, de ce narcotrafic euh, pour le Niger Mais les conséquences euh, sont énormes. Mm. Pourquoi je dis que les conséquences sont énormes C'est que déjà, c'est le Niger aujourd'hui, c'est la voie euh, empruntée par ces narcotrafiquants pour faire passer la drogue. Une fois donc le cocaïne, <laughs> mais c'est de l'argent illicite. Nous voyons comment est-ce que d'autres se permettent aujourd'hui avec un blanchissement d'argent. Mhm. Euh, on voit comment est-ce qu'ils vivent. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est un danger, non pour, tout le monde, en tout cas. On devient très vite euh, euh, très riche. Euh, très riche. Le cas précis, c'est plus de et, 11 milliards de francs CFA. 11 milliards de francs CFA. Et c'est mhm. ça, en, faisant, en voyant ces jeunes, en voyant ces hommes qui deviennent très riches, que les jeunes aussi prennent exemple sur ces gens-là. Est-ce que mhm. tu vois Donc, ça veut dire que si on n'arrive pas, comme l'a dit Isa, si on n'arrive pas à mettre fin à contrôler. On ne peut pas mettre fin, mais mhm. on peut quand même diminuer, diminuer donc euh, ce trafic qui passe par le Niger. Mhm. Et pour que, en fait, ces jeunes que nous avons, ces jeunes, parce que ces jeunes qui sont aujourd'hui dépourvus de, tout, ne puissent pas tomber dans les filets de ces narcotrafiquants. Mhm. Donc, il faut également euh, féliciter ces hommes euh, qui, qui, qui lutte, euh, la police nationale, euh, oui, qui mhm. lutte pour un peu éradiquer cette situation. Parce que là, vous parlez du maire, mais je suis sûr que ce n'est pas le maire qui, qui, est seul fautif dans cette situation. Mhm. Il y a des complices on sait qu'il y a des complices. Et on sait que peut-être, c'est pas parce qu'il est maire, peut-être qu'il a eu à faire ça plusieurs fois, mhm. mais qu'aujourd'hui... On a l'impression que c'est pas un coup d'essai. C'est pas, un coup, pas un coup d'essai de la mhm. quantité, parce que pour, une première fois, celui mhm. qui fait une première fois, est-ce qu'il va transporter tout ça Et peut-être, là où il faut encourager également, c'est les fouilles c'est les fouilles des, véhicules, que ça soit personnalité, que ça soit autorité, que ça soit. Il faut les fouiller. Parce que, en fait, le maire pensait peut-être que avec la voiture mhm. de la mairie, sa casquette de maire, ça serait plus facile de, de traverser, de faire, de, de, de faire rentrer euh, la cocaïne là-bas. Donc c'est ça en fait. Les voitures particulières où on voit, on met laisser passer, on dit bon, c'est une autorité, il faut les laisser. Non, non. Là, je suis vraiment d'avis et d'accord avec cette police nationale. Mhm. Fouiller toutes les voitures que vous pensez que ces voitures-là euh, peuvent euh, peut-être dissimuler quelque chose dedans. Parce que c'est à travers ces véhicules-là que certaines personnalités font rentrer ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'en en fait, il y a des, des barons, des barons dans ce pays qui se cachent sous leur propre casquette pour faire du mal aux Nigériens. Mhm. Merci beaucoup. Je dis que ça, c'est pour faire du mal aux Nigériens. Comment mettre <laughs> fin à tout ça Quelle piste de solution faut-il envisager J'ai entendu le ministre de l'Intérieur gronder la presse. <laughs> c'est comme si c'est la presse qui est fautive. N'est-ce pas mhm. Que c'est pas ici qu'on fabrique la drogue, c'est pas ici. Nous sommes juste un pays, nous luttons. Mhm. On commence à parler de ces histoires-là, sous ce règne-là. N'est-ce pas oui, parce qu'à l'époque, on arrêtait des gens et systématiquement, ils allaient en prison. Et il y a très peu de cas où on dit c'est des barons, c'est des dignitaires du système qui sont dedans. On parle d'un maire. Un maire, c'est une autorité. N'est-ce pas Ça mhm. C'est avec maire qu'on a pris une telle quantité de drogue. C'est une partie, <laughs> il faut faire la part des choses parce que le, maire, type, le, maire de pauvre on parle de cocaïne. Mhm. On parle de cocaïne, s'il te plaît s'il te plaît, Michel, on ne parle pas de. Comment on appelle, euh, euh, euh, comment on appelle tramadol ou on parle de cocaïne. Mhm. La valeur, c'est combien non, c'est-à-dire que c'est pas le tout ici, puisque. Oui, mais alors. mais ça peut être ah, un cas isolé. un cas isolé. Il y a quelques années, à l'Assemblée nationale, on devait mhm. lever l'immunité d'un député. Mm-hmm. impliqué dans une affaire de trafic. C'était un conseiller, c'était le conseiller. Non, on a pris un conseiller. Non, le conseiller, c'est en, en 2019. voilà, mm-hmm. n'est-ce pas Mais un député, on devait, dans l'affaire fraude concours de la santé, mm-hmm. on devait lever l'immunité du député, mais également mettre en accusation les ministres impliqués dans l'affaire du concours de la santé. L'affaire a été une. Comme viennent me dire que non, que c'est pas au Niger qu'on fabrique. Mais quand les gens s'enrichissent comme ça, toujours jour au lendemain, des gens sont devenus vachement riches. Mhm. Des milliards. On dit c'est un milliardaire. Mais il a eu les milliards. Est-ce que c'est le pauvre type qui cherche à manger le matin, mhm. qui va aller chercher cocaïne, traverser avec ça Avec quel moyen Est-ce qu'on se pose avec quel moyen il peut faire ça le mm. pauvre type là, qui s'est réveillé le matin, il n'a même pas mis francs pour faire bouillir la marmite. Mm-hmm. On sait comment ça se passe. Aujourd'hui, notre pays est, fiché, karma fiché. Quand le ministre parle de les médias doivent nous les médias font ce qu'ils doivent faire, ils, informent. Mm. On a arrêté avec un maire, c'est très symbolique. On n'a pas pris avec un simple individu, c'est une autorité locale on a connu des cas où des gens, par exemple, quand les dépôts ont été découverts vers Bassoura, mhm. combien de tonnes de résine de cannabis N'est-ce pas Tout ça là. Est-ce que c'est une vue de l'esprit Est-ce que c'est des individus banals, des, individus qui n'ont aucun poids, qui sont à, mesure de faire des choses comme ça Dans, un mhm. entrepôt ou un garage, des choses comme ça. C'était 3 tonnes. Mais ça dépasse même. C'était cette tonne, et puis on dit, il y a même quelque chose de combien de tonnes mhm. qui sont dans la nature, tout ça. Est-ce que c'est pauvres types, c'est un pauvre type, c'est des pauvres types qui sont derrière ça. Je te pose la question. Est-ce que mhm. c'est des pauvres types Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors pour mettre fin à tout ça On a compris alors ce que vous dites ici, c'est que nous avons des personnes qui... Ceux qui peuvent faire quelque chose, ceux qui luttent, qui tentent de lutter, ils font de leur mieux. Mhm. La police et tout et tout, ils font de leur mieux. Mais ça va aller où il y a toujours des voies de contournement et c'est toujours des barons qui sont là derrière ces affaires-là. Ce n'est pas des pauvres types hein, comme toi ou moi. C'est, non, c'est des gens. Maintenant, on va voir la suite qui sera réservée à cette affaire. C'est un conseil d'un président de l'Assemblée, comprend. Guinée, comment on appelle ça C'était un Guinée-Bissau. On le prend avec. En euh, mars 2019. Euh, alors, mais bon, alors c'est toi. Mhm. Tu vas oser faire des choses comme ça. Parce que moi, je vais faire des choses comme ça. <laughs> Et avec la carte, le, passeport diplomatique. Ah <laughs> non. Mais les gens s'en foutent. Les Américains, la drogue grande chez eux, mais ça vient de l'Amérique latine, Colombie, quelque part, tout ça, ça transite et tout et tout. Mais qu'on dise que ce n'est pas chez nous. Est-ce que c'est au Mali que c'est fabriqué Pas au Mali. C'est quand même des grosses quantités. pour le cas de la Guinée-Bissau, on se rappelle, c'était 800 kg de mais 200 et quelques, là, c'est 214. Maintenant, comment mettre fin à ça Attends, 200 euh, et quelques kilos. Tu viens de dire, ça fait combien Plus de 11 milliards de Attends, 11 milliards là. 11 mhm. milliards là. Et l'Octis avait d'ailleurs précisé à travers euh, la porte-parole de la police que c'était euh, une euh, saisie record en termes de quantité. Oui, bien sûr, ici. Mhm. Mais 11, milliards eh, quand on parle de 11 milliards, 1, 1. Mobiliser 11 milliards mhm. hmm? Même la descendance et tout et tout quand les gens travaillent honnêtement, ils ne peuvent pas trouver ce montant-là, cet argent-là. On est dans ce système. On mm. est dans ce système. Tout le monde sait comment le système peut être combattu. On attend de voir la suite qui sera réservée à cette affaire. La suite concernant l'affaire qui a remonté depuis le Mali jusqu'ici, il y a une suite. Est-ce qu'il y a une suite Les députés ont dit qu'ils ne vont pas lever <laughs> l'immunité du député. Oui, Hussein, un mot pour terminer. Euh, comment mettre fin à cette situation, il faudrait... Mm-hmm. Euh, l'analyser autrement aussi. Parce que ça montre que le problème, le fléau s'est enraciné au Niger. Mhm. Et que vraiment, c'est tout un système qui est là, qui, continue, qui, est là en train de faire ce trafic. Et c'est là aussi, il faudrait que... Est-ce qu'on peut mettre fin à ce système, euh, comme c'est un système, comme vous le dites c'est depuis, je crois bien, les années 80, avec l'arrivée de 89, je crois bien, 88, que les États-Unis ont commencé cette guerre. Mhm. contre le les, narcotrafiquants. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Mhm. Ils ont barricadé, ils ont fait tout, mais ça continue. Moi, je connais beaucoup de gens qui ont commencé même à faire des travaux de journalistes d'investigation sur ce fléau au Niger, qui sont butés sur des choses que eux-mêmes ils n'arrivent pas à croire. Parce qu'il mhm. y a toujours ce genre de menaces qui pèsent sur ça. La drogue, tout le monde le sait, ça passe. Le Niger est devenu un couloir. C'est en fait c'est que aujourd'hui il y a tout un système bien nulé qui est là. Mhm. Et ça expose d'une part notre pays, ça expose également les agents qui sont en train de travailler pour lutter contre le trafic. Vous vous rappelez, pour finir, la Guinée-Bissau, tellement qu'il y a eu une époque où le coq traversait ce pays, c'était devenu le port d'entrée de la cocaïne. Mhm. ça traverse ce pays-là pour se retrouver en Europe. Mais qu'est-ce qui s'est passé Même l'État était faible parce que il y aura des individus qui auront des capitaux à leur possession que l'État même ne dispose pas. Mhm. Et c'est ce qui a fait que ce pays l'a intensément embrasé. Être chef d'état-major est mieux même que d'être président de la République en hein, Guinée-Bissau. Il y avait c'était dans un passé récent. Parce qu'il faut contrôler tout. C'est lui qui contrôle le trafic et, on va et aujourd'hui, quand vous euh, dites de l'arrêter, ce n'est pas l'arrêter, cest un travail de fourmi. C'est un travail de fourni qu'il faudrait faire. Il ne faut pas tourner autour du pot. Mhm. C'est le système. Le système en place. Maïmoun Diado, un mot par rapport à ça. Comment mettre fin à ce système en place euh, Système en place. Ce que dit Mais on ne peut pas mettre fin à ce système. Alors comment <laughs> réduire et qu'on n'assiste pas C'est vrai, au ça a précisé qu'il y a certaines informations qu'on n'a souvent pas, mais ce que officiellement, euh, dans un passé en tout cas, euh, il y a 30, 40 ans, on ne trouvait pas ces genre d'informations. Même si on sait que tu es sur la piste de toutes les manières c'est la justice qui va te prendre toi aussi. Mhm. On a vu euh, des journalistes qui ont fait le relais seulement euh, d'une <laughs> information et aujourd'hui qui sont frappés d'emprisonnement. Donc nous, allons, nous allons justement parler alors euh, de cette affaire justement, justement cette peut-être mhm. peut minimiser les choses et réduire. Oui oui réduire. Ah bon Vous êtes trop pessimiste, savez <laughs> Nissa. Il faut minimiser comme elle dit parce que les conséquences sont quand même fâcheuses. Cette semaine qui s'achève a également été marquée donc par la condamnation le lundi 3 janvier 2022 de Moussaxa, directeur de publication du journal euh, L'événement et de la journaliste indépendante euh, Samira Sabou, respectivement à deux mois et à un mois de prison avec euh, succès pour avoir euh, publié, on se rappelle, c'était en mai 2021, une enquête euh, produite par l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, une enquête intitulée Des jours étranges pour le trafic du hashish au Niger. Hussein Issa, quelle réaction par rapport à ces condamnations de nos deux confrères C'est des journalistes, ils ont révélé des choses, ils ont purgé. Ils souvent, bon, ben, sursis. Mhm. Ils ne vont pas aller en prison, mais il y a la condamnation qui est là. Mhm. Tu veux que je dise quoi Cette semaine, on a vu sur le site de Reporters sans frontières. Sur le site de Reporters sans frontières, on peut lire euh, la réaction du responsable du bureau Afrique de cette Moi, j'ai Lu la réaction. Arnaud qui dénonce cette euh, décision. Euh, doit-on parler d'entrave à la liberté de penser, la liberté de presse au Niger à partir euh, de cette affaire. avant qu'est-ce que le ministre de l'Intérieur a dit mhm. Que les journalistes doivent cesser de considérer, de stigmatiser notre pays. Mhm. Alors, si c'est ça, parce que tout simplement, les journalistes ont le courage souvent de dire, d'aller investiguer pour voir des choses. Ah non, il ne faut pas, parce que ce n'est pas chez nous que la drogue est fabriquée. Mhm. Mais on va quelque quoi tu veux qu'on fasse quoi Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse Non, il faut la répression où l'État s'engage de manière résolue à mettre fin à ça. Tout à l'heure, Issa Madou vient de dire qu'il y a des manias. Ce pas les manias qui entretiennent les partis politiques. Hmm. Prêts au pouvoir aujourd'hui, il faut avoir de l'argent. Hmm. C'est des gens qui ont suffisamment d'argent, qui peuvent être députés grâce à l'argent, qui font le blanchiment ça veut dire que ça a un lien avec la corruption. Mais, il n'y a pas un mhm. secteur, un pan Quand on voit le nombre de flux d'argent qui circulent dans le Sahel, dans nos pays, on est tenté de se croire, mais attends, est-ce que nous aussi, on a, quelle richesse pour avoir ces droits Issa Madougou, Hussein Nissa a parlé de la réaction du ministre en charge de l'Intérieur euh, par rapport à cette question. Quelle doit être la responsabilité des hommes de médias par rapport euh, à cette lutte euh, contre euh, les narcotrafiquants dans cet espace sahélien. Euh, mieux, puisque, en fait, les journalistes font mhm. de leur mieux puisque les journalistes appuient euh, les, les, les, activités de l'Ocretis. Mhm. oui, oui. voilà, mhm. appuient ces activités. Les journalistes font des investigations, mais tout à l'heure, je vous avais dit que les investigations le plus souvent sur le narcotrafiquants n'aboutissent pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Et le plus puissant, c'est que le plus souvent, c'est que les gens qui sont, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter encore, qui sont le plus souvent derrière ça, mhm. c'est-à-dire, c'est toujours avec un grand étonnement. Aujourd'hui, même ceux qui sont aujourd'hui les groupes armés, non, les, terroristes, mhm. tout le monde le sait. Oui, tout le monde le sait que eux aussi se sont mis dans cette affaire de transport, de sécurisation des convois de cocaïne. Quand vous remontez même au temps de Moujao, quand il y avait eu l'occupation du Nord Mali, mhm. les premiers gens qui ont commencé quand Moujao s'est installé à Gao et dans certaines parties de la région, les premiers soutiens de, Moujao sont connus tous dans le transport de la cocaïne. C'était au Mali, ça a commencé depuis autant de... On a vu un avion qui a quitté Venezuela, qui est mhm. venu être déchargé en plein euh, mhm. désert. Donc, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Quand vous dites il faut un problème qui est complexe. Qui est, complexe mhm. que c'est seulement dans une synergie d'action que nous Merci pouvons beaucoup, Issa Madougou. mettre Diado, par rapport à ces condamnations, on l'a entendu, euh, la cellule Norbert Zongo, qui est triste quand même de ces condamnations, parce qu'il faut rappeler que l'Orcotis a d'ailleurs euh, retiré sa plainte contre nos deux euh, journalistes, Moussaksa et Samira Sabou. Qui sont condamnés à mhm. un mois et deux mois avec sursis je me dis que en fait, ils n'ont fait que relayer l'information de, mhm. euh, de l'ONG. Ça, c'est une atteinte à, la liberté d'expression. Mhm. Parce que, en fait, euh, ceux-là même, euh, dont leur article a été euh, publié mhm. sur Facebook, la page Facebook de Samira Sabo, et l'article dans l'événement, je pense que du moment où eux-mêmes, ou bien cette ONG même, a reconnu que voilà, il y a eu des erreurs dedans. Et mhm. ensuite, s'est elle s'est retractée pour dire voilà, ce qu'il faut, il faut corriger, parce qu'elle-même, elle a vu que c'est, il y avait vraiment des choses qu'elle ne devrait pas dire. Mhm. Bon, maintenant. L'organisation, c'est-à-dire JITOC. Oui, mhm. l'organisation JITOC. Donc, moi, ce que je voudrais ah, dire. Oui, oui, euh, oui. L'octrice a, retiré sa, plainte, contre, les deux confrères. Mais, Voilà. Mais c'est une affaire en fait qui avait déjà débuté. Ce qu'il faut mhm. comprendre ici, c'est que c'est des journalistes d'investigation. On veut les empêcher tout simplement de <laughs> d'investiguer à longueur de journée sur euh, des, mhm. des, sujets aussi brûlants comme mhm. euh, le trafic euh, illicite de drogue et tout. Mhm. moi, je me dis que ça ne devrait pas, ça ne devrait pas les empêcher de continuer, en fait. Euh, Merci beaucoup. Il faut rappeler que Moussa pour sa part, a déjà été condamné, on se rappelle, c'était en mai dernier. Il avait été condamné à verser donc 200 000 francs d'amende et 1 million de francs CFA en termes de dommages euh, et intérêts dans une autre affaire de détournement au niveau du ministère de la Défense nationale. C'est hum. l'intimidation. Hum. Et les journalistes que nous sommes, nous allons euh, nous battre, hein, continuer à investiguer hum. sur beaucoup d'autres sujets brûlants en tout cas. Merci beaucoup. Mais en jouant sur l'éthique et la déontologie. Merci. Il faut donc respecter en toute chose l'éthique et la déontologie. Merci. Terminons ce forum euh, de la presse par la circulation du nouveau variant de COVID-19 au Micron au Niger. Dans un point de presse animé le 1er janvier 2022, le ministre de la Santé publique, Dr Idiliasou Ilyasou a annoncé 27 nouveaux cas d'Omicron identifiés lors de la dernière semaine du mois de décembre au Niger. C'est ce qui expliquerait le nombre de cas importants enregistrés ces derniers jours au Niger. Au Micron, ce variant de la COVID-19, a été découvert en fin novembre 2021 en Afrique du Sud. c'est Nissa. que faut-il euh, recommander aux populations face à cet état mais de Ce qu'il faut recommander aux populations, mhm. c'est ce que le ministre a fait. Mhm. Allez se faire vacciner, respecter les gestes barrières, mhm. le port de masque, tout ça. C'est-à-dire que c'est à renforcer. Mais à renforcer. Mais quand les gens, ils sont là, au quotidien, ils se côtoient dans les marchés, les autogares, sans bavette. Ils se saluent. La personne se mouche et il te vend la nourriture. N'est-ce pas mhm. On parle en haussa, on parle en Germain, on parle en foufoudé, on parle en Tamashek, on parle en français. Mhm les gens sont toujours insensibles. Parce que quand on est dans un contexte, dans un environnement, hmm. en Occident où ça fait rage, dans les pays où ça fait rage, le contact physique, là même aujourd'hui, même les fêtes et tout et tout, les gens sont obligés. Mais ici, le problème est là. les gens se posent la question quant à la véracité même de ce qu'on leur raconte. Hmm. Il y en a qui en doutent. Euh, Issa Madougou. Non, non. Il y en a qui en doutent. Mm-hmm. Mais il faut sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Il y en a, on dit, bon, il y a un nouveau variant qui, mm-hmm. qui s'appelle Omicron, ou comment on appelle Omicron. Bon. Merci Hussein alors, Issa, Madougou. Le ministre a rappelé il faut d'abord respecter les gestes barrières euh, qui restent les mêmes. Donc, euh, face à Omicron, le port du masque, il faut se laver régulièrement les mains euh, à l'eau et au savon. Mais surtout, il a précisé il faut se faire vacciner quelle analyse par rapport à ce engouement eh, que nous avons aujourd'hui de la population face à ce vaccin disponible et gratuit sur l'ensemble des huit régions de notre pays eh, et qui peut euh, nous permettre justement d'être à l'abri de la COVID-19. Ok, avant d'arriver au vaccin, il faudrait d'abord aujourd'hui qu'on fasse un peu euh, le point par rapport à cette maladie. Mmh. Nous tous, je le prends entre nous ici, nous sommes tous presque pratiquement dans la banalisation de la maladie. Mhm. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui existent à croire que c'est une maladie qui existe. Eh bien, réellement, c'est une maladie qui existe. Parce que nous-mêmes, est-ce qu'on prend le temps euh, pour respecter les gestes barrières parce que moi, c'est pour cela, parfois, je me euh. sens gêné un peu de parler euh, de, cette maladie ou pour dire que non. Et par rapport au euh, vaccin, on constate au niveau de certains lieux de vaccination moi, le que. Vaccin, je l'ai fait. Je l'ai fait, mhm. moi, le vaccin, je l'ai fait. je l'ai fait en âme et conscience parce que je sais que la maladie existe. Mhm. Ça veut dire que c'est à Non, c'est encouragé. Moi, je mhm. l'ai fait Franchement, parce que je crois à cette que l'existence de cette maladie, je le vois. Tout à l'heure, quand je disais la sensibilisation, j'ai dit nous-mêmes, moi-même, parfois, je me sens gêné de parler de cette maladie parce que moi-même, je ne respecte pas souvent les gestes barrières. C'est à respecter absolument. Donc, pour il faut que nous aussi, nous soyons des modèles. On arrive à donner des exemples par rapport à ça. Maïmoun Diado, un mot par rapport à ah, tout cela pour terminer. vous ne pouvez pas convaincre les autres. Mhm, bien sûr. Mm. Oui, Maïmoun Moi, je pense qu'il faut revenir à la dynamique euh, euh, au moment en 2019. Mhm. Euh, où au Niger, c'était au début euh, de l'année 2020. 2020. 2019, décembre, c'était en Chine. Voilà mhm. la dynamique de la sensibilisation qui a eu autour de ça. Mhm. Donc, revenir sur ça, vraiment. Aujourd'hui, je vois même pas les ministères, parce qu'avant, il y avait l'équipement du lavage des mains et tout ceci. Mais maintenant, est-ce que c'est disponible est-ce que c'est disponible C'est ça aussi. Parce qu'on a comme l'impression que... Il faut améliorer tout cela, mais la nouveauté ici, c'est surtout le vaccin et euh, souvent la proportion de la population vaccinée. Vaccin, on, le vaccin, Michel. On considère que cette proportion est souvent très faible, alors que le vaccin est gratuit. Nous sommes au Niger. Mhm. Les gens jusqu'à présent, il y a d'autres Nigériens qui ne croient pas à cette maladie. Mhm. C'est ça aussi le problème. Et que faire alors pour que tout le monde soit vacciné On aura bon à faire des sensibilisations, interpeller la population. Tant qu'il y aura des têtes dures parmi nous, mhm. ça serait très difficile. Mhm. Donc, mais on ne dira pas de ne pas continuer à sensibiliser cette population. Mhm. Sensibiliser la population pour aller vers la vaccination. Parce que là, c'est des symptômes différents des autres symptômes que nous connaissons. Donc, mieux vaut se prévenir que guérir. Il est encore temps pour cette population de réagir, d'aller se faire vacciner. Merci beaucoup. Le ministre a rappelé que la vaccination est gratuite. On a terminé même, ce forum. Les même les bassines, les eaux. des gens ont pris pour aller déposer chez eux pour mettre de l'eau <laughs> et puis boire. Comme il y a... les, les merci, merci. Nous sommes donc au terme de ce forum de la presse du studio Kalango de ce vendredi 7 euh, janvier 2022. Nous étions donc en compagnie de Issa Madougou, journaliste indépendant, Maïmoune Diado, journaliste indépendante, et Hussein Issa, journaliste indépendant également. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. À la régisson, nous avons Seine Isaka. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.